Retour à Niamey, l'amicale des anciens étudiants nigériens de la Turquie a organisé ce matin à Niamey une remise de kits alimentaires aux populations vulnérables de Niamey. L'objectif de cette action sociale est de permettre à ces ménages de terminer le mois béni de Ramadan. contre rendu Hassim Abdullah et Boubacar Imran Maïga. L'amicale des anciens étudiants nigériens de la Turquie continue de multiplier les actions sociales pour le bien-être des ménages vulnérables au Niger. Ces bonnes œuvres se sont manifestées encore en cette veille de fête de Ramadan avec la remise de 5 kits alimentaires au profit des familles démunies. Ces kits alimentaires composés d'un sac de riz, de 5 litres d'huile et de 5 kg de sucre Offert avec l'aide du ministère des Affaires étrangères de la Turquie permettront à ces familles de mieux terminer le mois de Ramadan. C'est la deuxième année qu'on on organise. Euh, c'est au profit vraiment des nécessiteux et pour les accompagner pendant le mois de Ramadan. Donc euh, ce don nous est parvenu de la Turquie à travers euh, l'institution des bourses qui s'appelle le YTB. E et on essaye tant bien que mal d'accompagner les personnes vulnérables et les nécessités pour finir et accomplir leur jeûne euh, dans la quiétude. On est une jeune association, euh, l'amicale des anciens étudiants qui ont étudié en Turquie. Et on a été créé en 2016 et ça fait déjà quelques années, on fait quelques activités. Ce n'est pas la première, on a eu à faire d'autres activités et on espère que cela soit continuel, Inch'Allah. Le représentant de l'ambassade de la Turquie au Niger a salué l'initiative de ce groupe d'action sociale. Il a réitéré l'engagement de la représentation turque au Niger à accompagner toute initiative visant le bien-être des populations nigériennes. Nous sommes assez heureux euh, d'atteindre ce moment ce moment de partage. ça devient de plus en plus traditionnel avec l'amable soutien euh, de, de chers membres de l'ANIT. Euh, sans aucun doute, euh, il construit une ponte importante entre les deux pays. le peuple turc, toujours solidaire du peuple nigérien. ce que vous avez témoigné aujourd'hui et ici, c'est une humble contribution de la Turquie pour les frères nigériens encore une fois, je voudrais remercier à chers membre de l'AINIT et aussi à vous. Euh, je vous remercie. La satisfaction était totale pour les responsables de ces familles. Je remercie l'amicale les anciens étudiants de la Turquie pour cette action de solidarité. Enfin, les premiers responsables de l'amicale ont profité de cette cérémonie pour souhaiter une bonne fête à tous les Nigériens, paix et stabilité sociale pour le Niger.